bonsoir. Ce soir, nous allons explorer un sujet culturel fascinant, le cinéma, installé dans cette atmosphère vibrante de la Blue Zone. Nous allons discuter des défis qui jalonnent la production cinématographique au Niger. Des défis bien réels, notamment en raison du faible budget alloué au domaine de la culture en 2023, qui ne représentait que 3% du budget national. Et pour cette raison, des cinéastes affirment que le secteur est négligé au Niger. Pourtant, le 7e art a démontré sa capacité à générer de l'emploi et aussi à offrir une visibilité internationale au pays. Pour conduire le débat ce soir, nous recevons Habib Harouna. Il est réalisateur et propriétaire de la boîte de production Focus 227. Bonsoir Habib. Bonsoir. Bienvenue dans notre TADA. Merci, merci. Notre deuxième invité, c'est Amina Rachid. Elle est actrice et réalisatrice. Bonsoir Amina. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et nous recevons aussi euh, Aboubakar Barazé, il est acteur à Niami. Bonsoir. <laughs> Bonsoir à vous. Je suis Fanta Chamsui à la technique, c'est Abdelkader Chambiano. Masauraran mu yau a cikin fadar tam da ta da zango a nan tsakar filin buluzon na babban birnin Yamai zamu tattauna ne akan matsalolin da suka shafi fannin silma musamman matsalolin da daraktoci ke fuskanta wajen shirya fina-finai. Et parmi sai problèmes, l'on peut le problem liye au aux de production, financiers, matériels et humains. les contenus des œuvres aussi cinématographiques et la formation dans le domaine du cinéma. À ces trois défis, sentez-vous libre d'en rajouter au cours de notre FADA. Et dans la première partie de notre émission, nous abordons les problèmes liés aux moyens de production. Je commence par vous, Habib. Vous êtes réalisateur et propriétaire d'une boîte de production. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lorsqu'il s'agit de trouver un financement, par exemple, pour vos projets Bien, merci. Euh, quels sont les problèmes En fait, il n'y a que des problèmes dans la production, donc du coup, je ne sais même pas par quoi commencer. Euh, effectivement, euh, moi, si je suis arrivé dans le cinéma, c'était d'abord par passion. Je voulais être réalisateur à la base. Il faut savoir que le réalisateur, il dépend du producteur. Donc, au moment où je voulais être réalisateur, j'ai cherché évidemment un producteur pour un projet qui me tenait à cœur, mais mhm. c'était peine perdue parce que à l'époque le cinéma était vraiment à son stade. Je dirais pas. C'était quelle année Je dirais pas embryonnaire. C'était en 2013, mais en fait c'était au moment où on voulait un redécollage parce que encore il était, on, peut le dire, la tête sous l'eau. Hein. Donc euh, moi j'ai j'ai cherché, je me suis retrouvé face à d'énormes défis. J'ai dit bon, ce qu'il faut faire, c'est recommencer, euh, changer les, les objectifs, et puis peut-être aller vers la production. D'où mon atterrissage euh, dans ce domaine de producteur de cinéma. Et je me suis donné le temps qu'il fallait pour euh, acquérir le minimum, parce qu'aujourd'hui, pour produire une œuvre cinématographique, au-delà de l'aspect, euh, comment ça s'appelle, gestion des ressources humaines, il y a surtout cet aspect matériel où il faut euh, avoir le matériel qu'il faut si on l'a pas, on doit le louer obligatoirement. Voilà, mais ça coûte extrêmement cher. Donc, il faut du temps pour quelqu'un qui veut faire de ça son travail pour pouvoir réunir tout, tout, tout, tout, ce, tout ce matériel et faire quelque chose par la suite. Donc, c'est parti comme ça, mais les, les problèmes, ils sont toujours là devant nous. Est-ce que ces problèmes dont vous parlez ont affecté vos choix créatifs ou vos projets passés Énormément, énormément, parce que... Euh, des exemples concrets à euh, partager avec nous. Des, exemples concrets sur mon premier projet euh, de série web, ça raconte par manque de moyens. Hein, j'étais à la fois scénariste, j'étais caméraman, je, je dirigeais, voilà, chauffeur. Après, j'étais monteur. J'étais communicateur, je faisais l'infographie. En fait, je, je faisais toutes les tâches qu'il fallait, mais à un moment, c'était le blackout. un cerveau ne peut pas gérer ça, c'est impossible. C'est une industrie où voilà, il faut se créer, avoir tout ce qu'il y a derrière, mais vu qu'on n'a pas les moyens, on se débrouille pour faire avec les moyens de bord. Mais les moyens de bord ne vont jamais faire le travail en réalité. Mhm. Voilà. Voilà. veut réagir sur ce que vous dites. Aboubakar, vous avez apparemment été témoin de ce qu'Abib a vécu. Effectivement, pour être euh, acteur, mais aussi euh, témoin euh, vivant de tout ce qu'il a dit. C'était assez difficile parce que c'était dans son véhicule qu'on faisait tout. Il tournait en même temps, il nous transportait, mais aussi à un point qu'il n'a pas rajouté, il était restaurateur. C'était lui qui nous faisait à manger le matin, il faut qu'on mange avant de tourner et tout. Donc euh, ça raconte saison 1, c'était assez compliqué. Donc c'était complexe. Bon, les gens n'ont pas compris ce qui se passait derrière euh, la caméra, mais c'était assez difficile pour nous parce que parfois c'est lui-même qui Soit il est euh, au niveau de la caméra, il place la caméra, il prend la perche ou il tient la lumière. Donc c'était assez difficile quand même. Mhm. Donc euh, je suis témoin oculaire de ce qu'il dit. Amina, vous êtes réalisatrice mais aussi actrice. On parle des défis financiers, matériels et humains. Parmi ces défis, lesquels vous ont le plus affecté dans vos projets Bon, étant une euh, débutante dans la matière, et je peux dire que tous ces points que vous avez cités sont compliqués parce que je suis à ma première réalisation. J'avais voulu commencer euh, en début janvier et jusqu'à présent, j'ai pas pu commencer par manque de moyens, manque de matériel et j'ai pas pu encore finir euh, le scénario qui est en phase correction jusqu'à présent. Donc, euh, fait qu'est-ce qui bloque en fait C'est le financement. C'est le financement parce qu'aujourd'hui, pour commencer, on a besoin de matériel et j'ai pas mes propres matériaux, donc du coup, il faut louer. Et sans fond, on peut pas louer, on peut pas aller chercher quelqu'un pour euh, prendre les matériels. Je voudrais répondre un peu sur ce qu'elle dit. Euh, il y a aussi euh, la partie manque de volonté des autres. Alors, parce que moi, je me dis que quand vous n'avez pas le moyen de prêter, entre réalisateurs, vous pouvez vous aider. Est-ce que les autres sont prêts aujourd'hui à mettre à sa disposition les, les matériaux de la production pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs Moi, je pense que c'est c'est juste la solidarité un peu qui manque. Moi, j'attaque plus ce côté-là. Habib, est-ce qu'au Niger, on peut parler d'une industrie cinématographique L'industrie n'existe pas. Elle n'existe même pas un peu. Voilà. Mhm. Après, on, a, on essaie de créer une certaine synergie entre producteurs, entre réalisateurs, entre acteurs, parce qu'il y a des associations de producteurs, il y a des associations d'acteurs, il y a des... Ah, voilà, donc à chaque fois, on essaye, euh, quand il y a un projet par exemple, euh, de toucher tel groupe, pour dire bon voici le projet, est-ce que est-ce que est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire, euh, comment on peut améliorer ensemble. Moi, par exemple, individuellement même, mis à part euh, les, sociétés, il y a beaucoup de réalisateurs, hein, parce que c'est surtout les réalisateurs, il surtout de, réalisateurs qui m'approchent. Je connais aussi des collègues qui qu'ils approchent beaucoup, mais ça constitue pas l'industrie. Pour qu'il y ait une industrie, il faut qu'il y ait une production, il faut qu'il y ait une distribution et il faut qu'il y ait une consommation. Donc la, la production suppose, en fait c'est la base, c'est là où on fait toute la cuisine, c'est là où on dépense tout, c'est là où on, cherche les fonds, on écrit les scénarios, etc., etc. Il y a des distributeurs qui... Quand vous avez votre produit fini, vous avez produit un court métrage de 7 minutes, le distributeur, il va le prendre. Parlant de la distribution, ça sera le sujet de la fada de demain, Inch'Allah, avec Seno 50%. Amina, vous êtes euh, non seulement réalisatrice, mais aussi actrice. Et en tant qu'actrice, quelles sont vos attentes par exemple vis-à-vis des producteurs ou des réalisateurs pour garantir des conditions de travail Ce que je dirais par rapport euh, aux réalisateurs, ici au Niger, on n'a pas cette garantie auprès des, des réalisateurs. Rien qu'hier, je parlais de ça. Tu vas voir un réalisateur, il va t'approcher, il va te demander de jouer dans son film. Après avoir joué, c'est fini vous perdez le contact. Le, le réalisateur, il fait pas signe au fait. Ici au Niger, chez nous, quand le réalisateur a ce qu'il veut, il oublie carrément. Il faut d'abord, après qu'il y ait un autre projet, pour maintenant recontacter et comment on appelle ça, les acteurs. Donc, c'est qu'il il y a ce problème de rémunération. Oui. On sait que là, les situations sont difficiles. Ici au Niger, c'est rare de trouver quelqu'un qui va dire que ses films lui rapportent quelque chose de consistant, mais quand même, quand euh, le réalisateur t'approche et te dit qu'il y a ça, il y a ça, ça fait plaisir au fait de ne pas laisser les acteurs à leur sort. Que vous pouvez partager avec nous une expérience récente Bon, euh, l'avant-dernier euh, que j'ai tourné, c'était avec une personne dont je, je préférerais taire son nom. Mhm. J'ai tourné pendant presque une semaine. C'était dans la période du ramadan. Maintenant, on a fini. Il a fait son avant-première, sa projection, et c'était tout. Après, qu'est-ce qui se passe Personne ne sait, au fait. Aucun des acteurs, parce que quand tu appelles, comment ça va L'autre, là, il t'a appelé, il y a un signe, rien d'autre. Puisqu'il n'y avait pas de contrat à la base. Il n'y avait pas de contrat. Et à la base, au fait, quand tu vois une personne jouer, par exemple moi quand je joue dans un film, c'est parce que vraiment je suis amoureuse de la chose. Je n'attends pas quelque chose en retour au fait. Je fais parce que j'aime. J'aime le cinéma. Mhm. Donc du coup, même s'il n'y a pas quelque chose, au moins on attend. <laughs> Moubakar, est-ce que vous êtes d'accord euh, Moi, je risque de parler sans filtre. Donc euh, je dirais que euh, le métier d'acteur n'est pas valorisé dans ce pays parce que la production, elle est certes difficile, mais les acteurs ne sont pas valorisés. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que tout le monde ne peut pas être acteur qu'on se dise la vérité. C'est pas parce que moi je, condamne plus les réalisateurs parce que je me dis, euh, vous ne pouvez pas venir voir quelqu'un parce que dans votre scénario, vous avez besoin d'une fille, vous le dites, bon, viens, viens tourner. Alors, euh, c'est normal que parfois on voit que la production est nulle. Et aussi maintenant, par rapport à ce qu'elle a dit, euh, je me dis qu'en réalité, c'est vrai, il y a la passion, mais attention, la passion ne nourrit pas son homme. Il faut aussi mettre en amont le côté monétaire, c'est important. Il faut, il, faut, il faut aussi exiger en fait qu'il y ait un retour par rapport. Vous n'êtes pas obligé de voir avec la production pour lui dire que moi je veux telle somme. Non, vous, vous devrez vous dire pourquoi je fais ça et qu'est-ce que cela va me porter plus tard. Donc le contact euh, réalisateur-acteur, ça peut être à double voie comme ça peut être dans un seul sens. Sur ce, on va faire une pause. Masauraran kamar yadda kuka sani a cikin fadar tamu mukan baiwa 'yan matan studio Kalangu fili inda suke kawo muna karin haske akan ababen da suka shafi 'ya'ya mata da cikin filin nan nasu da ake ce ma La Rubrica Rose. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans notre coin dédié uniquement aux filles. Ce soir, dans notre rubrique rose, on va parler du maquillage. C'est vrai qu'on aimerait être toujours belle pour commencer pour nous-mêmes, pour nos copains, maris, etc. On va laisser une maquilleuse professionnelle nous dire comment utiliser nos pinceaux sans pour autant ressembler à un clown. Pour faire un maquillage nude et simple, on doit avoir en sa possession quelques articles de maquillage nécessaires. Il s'agit donc des pinceaux, du concealer, du fond de teint, de l'anticerne, du crème marron, de la poudre libre, de la poudre bronzante, du fard à paupières, du mascara, du gloss ou du rouge à lèvres et du spray. Tout en commençant, on doit nettoyer le visage à l'aide d'une lingette et de l'eau micellaire. Ensuite, on les tonifie avec une lotion qui est la base. Celle-ci permettra au maquillage de lutter contre l'écoulement vite du maquillage. Elle stoppera aussi la, sueur. Ensuite, avec notre crayon marron, on va essayer de tracer les cils le plus légèrement possible, puis on passe le concealer au bord des cils pour ressortir la forme. On l'estompe sur le champ jusqu'à ce que ça ait l'air moins visible. Puis on applique notre fond de teint un tout petit peu, on l'estompe aussi à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Une fois fini avec ça, on passe la poudre libre assez délicatement. Celle-ci aidera à réduire la brillance et le caractère gras du fond de teint, ce qui donnera l'effet d'un beau teint léger et simple. Ensuite, on met sur les paupières une couleur moins discrète. On l'estompe aussi avec le pinceau. Pour les sourcils, on met le mascara. Au niveau des joues aussi, on met un peu de poudre bronzante. Celle-ci donne de l'éclat quand on sourit. Puis, pour les lèvres, on peut appliquer du gloss tout court, tout comme du rouge à lèvres nude, pour un résultat en toute légèreté. On applique une couche à la fin du maquillage, on vaporise du spray sur tout le visage pour un résultat net et bien fixé. Voilà, amis jeunes, c'est tout pour la rubrique Rosa de ce soir. On se dit à demain. elle sous Jack, elle je me suis attaché. À la base, je voulais que ça chata. Le faire sur Windows Shop, smoke la weed comme Wiz Khalifa. Mm, mm. Tu m'as veux d'avoir des la va faire, mais je veux pas rester locataire. Elle connaît mon G.A.N.G. C'est moi dans ma fast life. Mm, T'es relou, mais les autres font pas le poids. J'espère que t'as compris la phase là. T'es ma Black Widow, ma baby. C'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fin d'un Indéo anan Boulouzon. Blue Zone akan Les défis du cinéma nigérien surtout les principaux problèmes liés à la production cinématographique. Deuxième partie de notre FADA, nous y abordons cette fois-ci la question des contenus et sujets abordés dans les productions nigériennes. Question au réalisateur Habib Paruna Dans un contexte où la culture et le cinéma ne reçoivent pas beaucoup d'attention au Niger, comment choisissez-vous les sujets de vos films pour qu'ils touchent le public local tout en attirant l'intérêt international. Donc euh, oui, pour ma part, je ne vais jamais loin. J'exprime je, toujours le vécu. Tout ce que je vis moi-même personnellement, tout ce que mon entourage vit, c'est ce que j'essaie de reporter dans mes films et c'est ce qui c'est ce qui touche le téléspectateur parce que quand tu te sens concerné, il y a de l'intérêt et quand il y a de l'intérêt, ben, le pari il est gagné quoi. Euh, on a fait dans sa raconte une 57 épisodes hein, au total pour les deux saisons. On a eu à toucher pas mal de sujets comme la corruption, les problèmes de caste qu'on connaît ici au Niger, mhm. euh, les problèmes d'infidélité, en fait tout ce qu'on vit au quotidien, les jeunes comme les plus vieux, c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire ressortir. Récemment, avec euh, le FIDO qui vient de se terminer là, on a, moi j'ai produit un, film. C'est le euh, Festival international des films euh, sur, le, droit de l'homme. Mm. Moi j'ai produit un film avec une réalisatrice nigérienne, Matou Doumbia. Donc ce film-là parlait de, l'excision qui continue encore. En fait, on dit que c'est fini, mais ça existe toujours. Ça, ce film, il a remporté le, prix Canal Plus du, film film nigérien. Mhm. Donc, euh, c'était le prix avec euh, une enveloppe de 1500 euros. C'était le seul prix qui avait une enveloppe déjà, euh, d'ailleurs. Et ce film, il parle d'une réalité que vivent jusqu'à présent le monde rural. nous, on a parlé de nos problèmes, mais à l'international, au Clap Ivoire, ce film a parlé à, 16 nations parce que quand ils ont regardé le film, ils ont primé ce film devant 16 pays. Donc le film, il a remporté aussi le Clap Ivoire 2022. Mhm. C'est pour dire que ce qu'on vit, quand on sait en parler, quand on, le parle bien, ça touche aussi le monde. Quoi. Mhm. Amina, euh, question continue. Est-ce que vous pensez que les productions nigériennes parlent au public nigérien Oui, surtout euh, quand il s'agit de production, on reste qu'au Niger. On ne sort pas. Mhm. On ne quitte pas, on n'essaye pas de voir euh, que l'audition, c'est pas seulement qu'au Niger, c'est les autres pays aussi qui vont nous regarder. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se limite qu'au Niger. Et c'est une bonne chose ou pas Bon, pour moi, je trouve que c'est c'est pas bon. Il faut on est une nation, on est un continent. Il faut puiser de, de chaque côté pour euh, mélanger et donner un <laughs> exotique de, de plaisir, quoi. Mhm. Euh, on parle des contenus et sujets abordés dans les productions nigériennes. Est-ce que vous pensez que ces productions cadrent avec la réalité au Niger Pas toutes les productions, malheureusement, parce que moi je dirais qu'il faut se focaliser sur le local. Parce que moi je me dis, euh, si vous prenez l'exemple de certains pays, je, entre parenthèses euh, les États-Unis, les États-Unis ne parlent jamais de notre pays, ils racontent leur propre histoire, ils parlent de leur vécu. C'est nous qui partons en fait puiser dans ce qu'ils nous produisent pour, pour prendre l'exemple. Donc pourquoi ne pas valoriser nos propres cultures moi, je pense que, en tout cas, j'ai vu plusieurs productions et ce sont les thèmes en fait euh, du pays. Et moi, je pense, je me dis hein, et je conseille aux réalisateurs, continuez aux producteurs, continuez à puiser parce qu'il y a tellement d'histoires, il y a tellement de vécu au Niger que on peut faire toute une année de production, on ne pourra pas finir. Donc, euh, moi, je pense Niger first. Mhm. Et il y a aussi cette question des langues. Oui, euh, personnellement, je pense que moi, je suis un cas euh, le producteur est là pour confirmer. Quand on a commencé sa raconte, j'ai commencé à parler Hausa. C'était un peu compliqué parce que après il faut mettre les sous-titres et tout, mais moi dans ma tête je me dis euh, la cible n'est pas seulement euh, les lettrés qui qui, qui, qui, qui ont été à l'école sur les bancs, mais les consommateurs, c'est aussi ce monsieur qui est assis euh, devant son petit commerce, il a envie de suivre, il a envie de comprendre. Avec quelques mots Hausa ou Karma en langue, bon pas Hausa seulement, en Zarma aussi, je me dis que le, le consommateur peut, peut, ne pas se sentir lésé, vu que maintenant la cible est diversifiée. Donc l'objectif peut atteindre euh, toutes les couches, c'est ce que je me dis. Mhm. Habib, parlant des langues, par exemple, au Niger, on peut dire sans risque même de se tromper que les, les films les plus consommés, ce sont les films nigériens en Est-ce que vous, vous prenez cela en compte dans vos productions Oui, évidemment, forcément. Mhm. Euh, parlant de ce que j'ai eu à produire de plus volumineux qui est ça raconte, l'idée de base pour la production, c'était d'atteindre le monde francophone. C'était vraiment l'idée de base. Donc, euh, moi, j'étais dans une optique où il faut montrer à, à cette euh, partie du monde francophone qu'au-delà des séries sénégalaises, ivoiriennes et tout ce qu'on connaît, qu'il y a aussi des séries nigériennes qui existent. Après, je sais que pour atteindre le maximum de concitoyens, je, je, je veux dire, euh, il faut qu'on fasse une production qui leur parle. Donc, il faut qu'on fasse des productions en langue locale, surtout en Hausa et même en Zarma. Donc, ça, ça fait partie de, du programme de, de, ma boîte de production, mhm. Focus 227. Il y a des productions en langue exclusivement qu'on est en train de préparer, mais de l'autre côté, il y a un double travail à faire. Il ne faut pas qu'on reste local, local, au détriment euh, de ce qu'on peut, euh, en fait, de la vitrine qu'on peut apporter pour notre pays, parce que c'est surtout ça, exporter le pays à travers le cinéma. Mmh. Euh, la contrainte, c'est surtout les moyens de production. On revient toujours sur ça. Mmh. C'est que quand on fait un film en langue locale, pour faire euh, un doublage ou une traduction, c'est beaucoup de moyens supplémentaires. Donc il faut faire un choix. Soit on le fait en langue locale et on reste local, soit on le fait en langue locale et on arrive à l'exporter. Là, on a les moyens de le faire. Ou on n'a pas les moyens, mais du coup, on le fait uniquement en français. Donc euh, là, on est encore dans ce <laughs> système-là. Ça penche en fait. Amina, qu'est-ce que vous, pensez du fait de tenir compte des langues dans les productions c'est comme euh, Monsieur Habib l'a dit, il faut diversifier dans les langues et il faut pas se focaliser que sur euh, les langues nationales parce que nos histoires vont au-delà de nos frontières. Par exemple, maintenant, si on produit un film uniquement en Hausa et qu'il n'y a pas de sous-titrage, un Ivoirien ou un Malien ne peut pas regarder le film. Euh, sauf s'il y a sous-titrage. Voilà, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup plus de travail. Donc, euh, euh, le fait de réaliser, de produire, il faut voir la cible que vous voulez atteindre. Et c'est à travers ça que vous allez faire le choix de la langue. Et on va aller en pause musicale. On va laisser nos invités choisir. Amina, quelle musique vous nous proposez Pose le son de Elsa qu'il a chanté pour les mamans. Emane yaranye Mama ubinye alaja zamani Mama tugabu masali Mama alaja zamani Mama halabia muradi Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa Mama kumi ni kumi Mama kun bani kunu, kuka bani abinci na ci, kuka bani ruwa na sha. Kece uwa, kece uba, rana da Allah ya karbi baba. Oh mama, oh mama, oh mama uwa ta ta kaina. Oh mama, oh, mama, oh mama uwa ta ta raina. Ah. Akankuni zambarare Alaja amani Mama Toga abu masali Mama Alaja amani Mama Alabia muradi Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa God bless my mommy and bless everybody strong like a lion. Mommy's never tired. I'll take care of you. I will die for you. Hey, babu meshiga sakanu. Uwa da danta. Kakuga jidai mumu. addu'a inda da rai da lafiya mama sai na kai ko makka ko ba ta da kyau uwa ta ce ko talaka ce uwa ta ce kuma uwa laka ce uwa ta ce ba a canza suna Amijan bayan mun huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hada fada akan maudu'in mu na yau wato matsalolin da suka shafi fannin silma musamman matsalolin da daraktoci ke fuskanta wajen shirya fina-finai. Troisième et dernière partie de notre fada nous allons aborder cette fois-ci la question de la formation en cinéma au Niger. Habib, elle est pour vous cette question. Comme quels sont les programmes qui ke ba ma matasa horo da ke da me ake cewa kokari na su shiga fannin Honnêtement, Moudé dai a Focus 227 individuellement pris, hein, ba ma Kouasa. in caméra ne kake so ka koya in prise de son ne in montage video ne tu peux nous approcher wannan babu matsala wanda muka iya muna koya maka sa, sa on, a, on a toujours fait ça to wai ko akwai wata takamaiman makaranta wace ita aikin ta ne a nan Niger dai ta horar da mutane a fannin sinema um, ehm, a l'heure actuelle Euh, de euh, wata école de cinéma mais on a des écoles dans l'audiovisuel on a une école euh, nationale qui était LIFTY qui est devenue ESCOM euh, elle elle fait elle fait de, vraiment dans le large, quoi, dans l'audiovisuel. On a une école privée, eux aussi font dans les métiers de l'audiovisuel, mais ils ont des modules. En fait, il y a des périodes où on fait des trucs euh, spécifiques, écriture de scénario, montage vidéo, voilà, qui ont l'aspect vraiment cinéma, cinéma, quoi. Maintenant, de l'autre côté, on a des institutions ou des organismes privés qui essaient euh, de créer si vous voulez, des, des, formations ou des masterclass dans le domaine du cinéma. Moi, j'ai assisté à une masterclass euh, en production organisée par Canal Plus University qui nous permettent à nous producteurs d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir aller dans le standard international et faire ce qu'il faut pour qu'on soit aussi vu à, l'international. On a au niveau de l'association des producteurs euh, de contenu audiovisuel et cinématographique en PAC dont je suis euh, le, secrétaire chargé de la communication, on a aussi initié euh, certaines formations à un moment avec en partenariat avec l'association au Nigeria, Canioud. Donc ils sont venus ici euh, à Niamey. Vraiment, il y avait presque tous les acteurs du cinéma. Hein. On a fait des masterclass avec, euh, j'oublie son, son, nom, Il était à Yamé, donc euh, il a et ça nous a permis de, de pouvoir transposer et de savoir si aujourd'hui on a envie d'attaquer le marché du Nigeria, c'est pas facile, mais on a des pistes. Est-ce que ces, programmes sont suffisants En tout cas, moi, je ne connais pas vraiment une quelconque programme qui forme euh, les cinéastes ici au Niger, à part ce que M. Habib a dit, l'IFTIC et le SJC, l'école dont il parle, qui a des modules. Ce ne sont pas des cours construits euh, qu'on à temps plein, c'est des cours modulaires. Parce que moi, je fais partie de, cette école, je suis étudiante à cette école. On a des cours modulaires sur le sur euh, la cinématographie, mais c'est pas, ce n'est pas suffisant. Et donc, du coup, ça serait pas mal de réunir euh, plus d'opportunités afin que le, monde cinématographique euh, puisse exceller d'un autre bon et que nos jeunes puissent avoir une formation concrète pour donner vraiment de, bons produits. Et en dehors de l'aspect académique, quels sont vos besoins, vous, de formation Bon, c'est vraiment de, voir avec ceux qui nous ont dévancés dans la matière parce qu'on aura toujours besoin d'eux, on aura toujours besoin de leur expérience. C'est vraiment d'être épaulé par ces gens-là qui ont duré dans, dans, la chose nous allons les approcher de ne pas nous rejeter. Alors Abib, par rapport à la demande de Amina qui veut être aidée euh, par les aînés. Que quand quand elle parlait, je, je, l'entendais d'une bonne oreille. Hein. Et comme je l'ai dit, nous, de toute façon, à Focus 227, on a la main tendue à tous qui veulent apprendre. Elle, Amina, c'est euh, une jeune euh, réalisatrice et actrice avec laquelle on est en contact déjà. elle nous a par deux fois envoyé euh, des scénarios sur lesquels elle travaillait. La première fois, on lui avait fait certaines remarques. Je pense qu'elle a pris en considération, puisque un an plus tard, elle nous a renvoyé un autre scénario qui était encore mieux. On est en train de travailler là-dessus, voilà. Mais euh, je lui dis euh, concrètement que nous, notre façon de fonctionner, c'est plus le, le travail appliqué, travail pratique appliqué. On n'est pas dans de la théorie pour mhm. faire. Voilà. À elle et à, aux autres jeunes réalisateurs, euh, approchez-vous de Focus 227. Par exemple, euh, dans les jours à venir, on va lancer une production d'un court métrage. Ça sera l'occasion d'être assistant réalisateur ou assistant cadreur ou assistant preneur de son pour l'opportunité elle est là quoi donc tant que nous on travaille ils peuvent continuer à apprendre avec nous et nous on va pas refuser à quelqu'un de venir sur le plateau de tournage parce qu'il n'a pas d'expérience non non non nous on crée de l'expérience et Bakar, je veux me tourner vers vous parlons de formation est-ce que vous pensez que les programmes disponibles au Niger sont suffisants euh, je pense bien que non. Par exemple, si je prends sur le plan théâtral, je connais une association qui est là, Borobani, où ils forment euh, des étudiants, des adhérents sur, euh, sur les pièces théâtrales et autres. je pense qu'avant aussi au CCFN, il y avait plusieurs organisations qui faisaient ça. Mais de nos jours, je pense que les acteurs normalement doivent suivre une formation en théâtre. C'est important. Parce qu'il faut aller dans ce sens pour pouvoir se se perfectionner sur le rôle qu'on vous propose. Un bon acteur, il rend la vie facile au réalisateur, au producteur. Parce que lors du tournage, parfois, ils peuvent confirmer, il faut faire plusieurs scènes parce que la personne n'arrive pas à maîtriser, à faire ressortir ce qu'attend le réalisateur. Mhm. Donc là, il y a un déficit en formation. Donc il y a un déficit de, formation, vraiment côté acteur. Avec euh, l'association des acteurs, parce qu'en parlant de ça, il m'a rappelé, il y a euh, Bedari qui est le président il organise assez souvent. Le promoteur des, du Fifido. il organise assez souvent des formations en actora. Il me semble qu'à la filière agriculture de l'université aussi, il y a beaucoup de formations. Je ne maîtrise pas bien ce qu'ils font en termes de formation, mais je sais que Aïcha Maki intervient beaucoup là-bas en tant mhm. que formatrice. Elle organise surtout euh, des, même des, formations itinérantes à travers tout le pays. Hein. et voilà. Ça, c'est un combat qu'elle mène je pense que si on a beaucoup euh, on a deux, trois plus que ça, ça, devrait aller. Quoi. Mhm. Ah, vous hochez la tête pendant qu'Abib. Oui, euh, effectivement, je voudrais ajouter parce que la filière art et culture de l'université, je pense, c'est une référence parce que euh, Madame Antoinette, elle fait venir même parfois des acteurs et certains metteurs en scène internationaux pour former les étudiants. Moi, je pense que c'est une référence. Il faut aller à l'université et faire cette, cette filière-là parce qu'elle est très importante pour les acteurs, mais aussi pour certains artistes. Donc voilà. Sur ce, on va accueillir Seno et sa chronique du jour. Bonsoir à vous, amis du FADA. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'assainissement un thème essentiel mais souvent sous-estimé. Nous explorerons les enjeux sociaux liés à cette question cruciale. Eh bien, qu'est-ce que l'assainissement L'assainissement, c'est l'ensemble des actions et infrastructures mises en place pour gérer les eaux usées et les déchets solides. Cela inclut la collecte, le traitement et la gestion des eaux usées ainsi que la gestion des déchets, des toilettes et des installations sanitaires. Les enjeux sanitaires. Un bon assainissement est la base d'une vie saine les maladies liées à l'eau non assainie et aux mauvaises installations sanitaires sont malheureusement courante dans de nombreuses régions du monde. L'assainissement inadéquat a un impact direct sur la santé des populations, en particulier sur les plus vulnérables. Pour parler des enjeux environnementaux, il faut retenir que l'assainissement a également un impact sur notre environnement. Les eaux usées non traitées peuvent contaminer les cours d'eau et les nappes phréatiques, entraînant une dégradation de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques. C'est tout pour euh, aujourd'hui, cher ami du FADA. Merci Seino, haka ne matasa na muka kawo ƙarshen shirin namu na mu haɗu a fada on va éteindre les projecteurs de notre émission d'aujourd'hui et nous étions en compagnie de Abi Barouna, il est réalisateur et propriétaire de la boîte de production Focus 227. Il y avait aussi avec nous Amina Rachid, elle est actrice et réalisatrice et nous étions aussi en compagnie de Abubakar Barazé, acteur à Niamey. Tare da su kamar yadda kuka ji mun tattauna kan matsalolin da suka shafi fannin shirye fina-finai a nan Niger musamman zancen kuɗaɗe da kayan aiki da ke kawo ma wannan fanni tikas sai kuma zancen maudu'an da ake taɓowa a cikin fina-finan da ƙarshe kuma mun tattauna akan isasshen horo da masu hannu a wannan fannin ba sa samu a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma gobe da Allah ya kai mana rai inda za mu sake dawo muku da wannan jigon amma kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu.